je m'appelle Amadou Sek, je suis directeur général de Rogerme, une entreprise privée dans l'agroalimentaire. Je suis également président de l'ISBP, l'Institut sénégalais de boulangerie-pâtisserie, qui forme des jeunes dans la formation professionnelle. Également, je suis président de AMS Industrie, une industrie dans l'huilerie. Je suis également président du mouvement Les As de la Nation. Alors, aujourd'hui, je suis venu à Kaolac avec euh, des membres du mouvement, le coordonnateur national, le président du comité scientifique et un conseil spécial pour euh, rendre une visite de courtoisie au Khalif, aux maisons religieuses et pour leur exposer le projet de société qu'on a, mais également demander des prières pour qu'ils prient, pour que le chemin qu'on est en train de prendre puisse avoir un aboutissement meilleur. Parce que nous avons un projet important pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Et je crois que ce projet est en train de mûrir et euh, nous poursuivons notre chemin. Oui, je crois que les parrainages ont commencé le 27 du mois dernier. Je peux vous dire aujourd'hui que nous avons collecté beaucoup de parrainages tout simplement parce qu'on on a proposé aux Sénégalais un projet, un projet humain, qui est un projet en dehors de tout, projet politique politicien. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure qu'en créant ISBP, nous avons formé des milliers de jeunes qui étaient en déperdition scolaire et qui aujourd'hui sont formés et travaillent partout au Sénégal. Donc euh, ça, c'est une, solution, la formation. Mais je crois, comme vous l'avez dit, la jeunesse a besoin de... Il faut faire renaître l'espoir. Parce que tous ces jeunes qui partent, c'est qu'ils croient plus à ce qui se passe au projet du, Sénégal. Il faut faire renaître l'espoir, mais aussi redonner confiance à cette jeunesse pour leur dire que ils ont, cette jeunesse a sa place au Sénégal, cette jeunesse peut travailler, cette jeunesse peut s'en sortir parce que nous avons démontré plusieurs fois que en restant au Sénégal, on peut trouver sa voie. Il faut donc parler à cette jeunesse, il faut leur proposer des formations, il faut leur proposer des emplois qualifiants. Et je crois que notre projet, surtout, cible les femmes dans l'autonomisation, mais aussi les jeunes, beaucoup de jeunes. Alors, vous savez, moi, je suis dans le secteur agroalimentaire. Je ne vous l'ai pas dit, je suis également le président de l'UPIC. L'UPIC, c'est l'Union des industriels commerçants du Sénégal qui regroupe toutes les filières, que ce soit la tomate, que ce soit les oignons, vous avez entendu la hausse des prix de l'oignon, les riz, les entreprises de la vallée sont membres de l'UPIC. Et nous avons participé activement à la rencontre L'État contre la vie chère et nous avons proposé des solutions à l'État. Et je crois qu'il nous faut développer l'agriculture. C'est extrêmement important au Sénégal. 60% des terres ne sont pas utilisées. Alors, pour développer l'agriculture, il faut régler le problème foncier. Le problème foncier, vous avez entendu des industriels qui ont investi dans des zones, mais les populations se lèvent pour leur dire c'est à nos grands-pères, c'est à nos pères, etc. Donc il y a toute une politique, on sait ce qu'il faut faire. Et le moment venu, je crois que nous pourrons valablement agir pour que les investisseurs soient à l'aise pour pouvoir acquérir un foncier et développer. Pour ce qui est de, la vie chère, il y a un projet qu'on appelle les agropoles. C'est développer cultiver sur place, transformer sur place, ça permet de retenir la jeunesse sur place. Et je crois que c'est un, un projet qui n'a pas été bien mené, bien réalisé. Il y a l'agropole centre, là où vous êtes. Je connais très bien parce qu'en tant que président de l'UPIC, euh, j'ai porté la voix du secteur privé pour la mise en place des agropoles. Et donc, euh, je sais très bien ce que je dis et nous avons des possibilités pour euh, améliorer vraiment l'agriculture pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire dans tout ce qui est produit. Vous avez vu le cas de l'oignon. L'oignon euh, coûte 1000 francs ou 1300 francs le kilo. C'est impressionnant, très très cher. Et le Sénégal cultive 340 000 tonnes d'oignons par an et on consomme 250 000 tonnes. Pourquoi importer de l'oignon Et les 25% de la production est perdu par, parce qu'on n'a pas de magasin de stockage, on n'a pas mis les conditions pour que les récoltes puissent être acheminées au niveau des populations urbaines. Et donc, euh, c'est très simple. Je crois que ce que l'État a surtout raté, c'est intégrer et faire participer le secteur privé. Parce que c'est nous qui avons les solutions. Et je crois que dans chaque domaine, nous avons aujourd'hui notre mot à dire et pouvoir aider pour que les, problèmes soient résolus et atteindre l'autosuffisance alimentaire dans certains produits tels que le riz la tomate etc. Nous, avons les bi parce que nous sommes pas des politiciens de métier nous proposé proposer projet bu c'est humain. Nous, secteur privé nous mës nek nous adhéré à ben parti Et nous avons depuis nous déclaré candidature bi wax nous Sénégal Les sénégalais les sénégalaises nous avons fait carte d'identité ko Nous jox ay parrainage yu parrainages. parce que nous nañu ay mécanismes jën jël ay xalé yu informaticien yu xarañ jox mi teg leen ci condition yu bax ba paré ñuy saisir di liggéey ci parrainage bi donc bu soobé yalla dinañ mëtal. man bokk naa ci ñu nga xam gëm nañ ñu que système électoral Sénégal dëgër na parce que aussi ñun jang nañu dañuy xol li xew ministère de l'intérieur dañuy xol processus électoral bi man gëm naa ni Sénégal avancé avancé yi mu am moy un système électoral fiable parce que nous avons une élection bu avons ci guddi rek mën nañ xam tendance je pense que et puis nit ki représentants amé représentant bureau de vote il suffit que nous cumuler ça ay nous, nga xam à peu près tendance bi donc je pense que lolu du wax faire il faut ñu liguer, convaincre population yi pour dem élection et puis gagner c'est tout